tout le monde. Dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku duka inda kuke shuraren mu wannan shirin. On kiffe trop ces moments où on se retrouve à la fada de chaque week-end. Wannan shirin na musamman da studio kalangu ke sarrafa ma matasa. Les vacances, c'est bientôt la fin pour les élèves du préscolaire, primaire, secondaire. La rentrée est prévue pour le lundi 2 octobre 2023. Na makarantun sana'a ah, da fasa'a ah, da 'yan akuma. kuma za su so makarantun nasu a ranar 4 ga watan September kenan banda gobe avec néanmoins une dérogation pour les retardataires, les nouveaux bacheliers qui ne se sont pas encore inscrits en ligne à l'université Abdou Moumouni ont du 29 août au 4 septembre 2023 pour le faire. To, gafa da à dorata a jami'ar Abdou Moumouni ta babban birnin Yamai. Dan muzanta da ɗaliban mu ji ne suke shirin tunkarar wannan shiga karatun nasu na bana. Comment se préparent-ils et quelles sont leurs appréhensions pour cette reprise des activités académiques comme invité à cette fada, nous avons Hamid, bien engagé. Il est un master 2 philosophie politique. Hamid Inankwana. To Il est en master 1 histoire politique. Mansour, sanar da la fada. Ya chérie, shiri. Restez de dama muna ta <laughs> yi. Muna tare Azizou Rabey, il est en master 1 éthique, philosophie politique, il est aussi sociologue. Ça va, Azizou Na mu Allah godiya, alhamdulillah. To, barkan ka da zabu kan shirin à la fada. Ina muku godiya. Muna tare da Abbas. Il est en lettres, arts et communication. Abbas, bonjour. Bonjour, vous allez Ça va? Ça va très bien. Super. Vous le savez, cette émission, c'est aussi sans musique la rubrique rose et la chronique de l'émission Tous à la Fada. Top, c'est parti. Comment les étudiants de l'université Abdou Moumouni abordent-ils la reprise des activités académiques 2023-2024 1 mon un, da muka dora a nan jami'ar Abdou direct farko. Nous sommes à moins de 48 heures de la reprise. Dans quel état d'esprit vous êtes Ya kan cikin wannan lokacin? kun shirya ma wannan reprise jikin karatu zan zo wajen ka hamid ya ne eh na gode bisa ga tambaya da kuka mana eh, take da mahimmanci sosai kuma mun gode muku da kuka zo don ku tambaye mu bisa yadda muke ciki akan wagga eh, reprise da za a yi ta nan jami'o'i eh, munan university abdu mumuni gashi nan muna shirya kuma muna cikin wani yanayi ne wanda yau muna cikin damuwa damuwa ce wadda gashi rantire ta kusa sauran kwana biyu kamar yadda kuka ce hakanan ne ko sauran kwanaki kadan kuma ga suna abokanmu dalibai duk yawancinsu ba nan yame suke ba su ma ba su zo ba wannan ma yana, cikin da abun da suke suke kwatanta mana rantire nan har yanzu dai ba a shirya shi ba da kyau ba mm. tunda in kun diba yau yanzu in kun doki dukan wanda suke agades wanda suke bilma wanda suke kawar wanda suke eh, wanda suke maradi wanda suke zandar wanda suke difa ma su ma ba su zo ba kenan ya kamata a ce gwamnati ta doki matakai wanda za, za, za ta kawo su wannan dalibai don a soma karatu lekat da aka ce haka nan eh, ko kuna da masaniya bisa kan abin da ke tsaida su a can da ba su iso ba abin da yake tsaida su su suna nan suna shirye amma abin da yake sai da su gwamnati yana nan yana jira sai lekat ya yi za a ce za su taho ya kamata a ce sun fara tahowa tun kahin lokacin da aka ce za a yi eh, za a fara karatu ya yi to in mm. kun ba yanzu ba dalibai ko guda bai zo ba wanda suke vacance shi wannan yana cikin abubuwan da suke ke damuwanmu kuma banda wannan kuma in kun ba yau akwai akwai antuka situation wadda muke ciki situation ce wadda tana nuna vraiment akwai enkeci da yawa kamar enkeci tana damun dalibai bisa yadda za su samu um, kayan aiki wanda mushanni za su zama cikin kayan aiki a ba su kuma le furniture scolaire ake ce musu duka abubuwan da ya kamata mm. kundi bare reprise kola ne wadda, muka ida ita ma ba mu ida ta ba yadda ya kamata amma dai muna cikin yadda za mu ida ta mun gode ma Allah shekarun da ga na baya an fara karatu yadda ya kamata kuma amma dai shekarar da ta yi ba a ida karatun ba amma shine yanzu za a fara shi lekat kuma an fara examen dalibai duka basu nan akwai matsala shine abin da za mu cewa to mm. yanzu akwai ai wadda za ta hausa ta isu to mis gaya mun sunanki Raishata to Raishata yanzu dai wannan shirin dai samiri ake diffusion shi donc nous sommes à 48 heures ou je dirais à moins de 48 heures de la reprise des activités académiques ya kike jin kanki kin shirya gaskiya dai ba mu shirya ba irin wannan inda son samu ma kama a dan kara gusa lokacin kaɗan saboda ko ba komai kamar yadda dan uwana ya ce mutane da yawa ba su zo ba kuma mutane da yawa abin da zai hana su zuwa iyayensu suna ganin cewa babu security yanzu babu kwanciyar hankali a gari kenan su dakata sannan su ga yadda yanayin gari yake ciki sannan su taho oh, eh mu ma da muka zo gaskiya mun samu mun samu problem da yawa kamar tsakanin mu da yan fami kayan mu taho saboda mutane da za su ce maka kawai kai zaman ka abin da yaki za a yi da gashi gashi gashi gane su ya kamata a kwanta musu da hankali a ba su wani garanti hakan ga dai tare ba a ce musu a kuna cikin security hmm, saboda uwa ya mu hankalin sai kwanta hmm, ok zan zo wajen taylor mansur isufu to ina so in sani cikin shirin so ma wannan karatun sur quoi vous mettez l'accent quels sont les indispensables vraiment pour votre préparation wanda dai kamata a ce dai kuna da shi dai a lokacin wannan eh, voilà merci beaucoup de m'avoir euh, Accorder la parole mhm. pour parler par rapport à la rentrée scolaire. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne euh, la rentrée scolaire que nous sommes en train euh, d'assister pour cette année, en tout cas, pour moi, vraiment, je parle assez d'inquiétude. Je suis prêt vraiment parce que tout étudiant vraiment digne de son nom ou bien tout celui qui se soucie au fait de l'académie, il doit vraiment être prêt pour vraiment et à faire euh, cette rentrée-là. Parce que hmm. la première des choses, tout ce qui nous amène ici, c'est d'avoir le titre. Donc, nous, notre souci, c'est de finir le titre à temps et pouvoir embrasser au fait le monde d'emploi. Ok. En tout cas, c'est ça. Voilà. ka yi shi don ka sa niyya kuma ka ida shi cikin lokacin da ya kamata ce a ida shi don ka ka fara aiki ka samu ka taimaki iyayenka kuma ka taimaki kasarka kuma an tuka mm. duwan wanga abin shine kamata ce a abin mm. taylor ya ce niyya niyya kadai ya ce in ana da ma niyya karatun ma wannan deja an an samu abu da yawa yanzu za mu dan shakata kadan da rubric rose kuma za mu dawowa cikin hirar tamu ba on se reprend juste après la rubrique rose de l'émission tout ça la thank you Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue de la rubrique rose de ce samedi, je suis Mariam. Aujourd'hui, de la partie santé et bien-être de la rubrique rose, je partage avec vous quelques vertus du moringa sur la santé et quelques maladies sur lesquelles la consommation du moringa peut avoir de l'effet. On dit du moringa qu'il guérit 300 maladies. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses médecines ancestrales depuis des millénaires, ainsi d'Asie jusqu'en Afrique, en passant par l'Amérique du Sud. Nombreuses sont des utilisations de l'arbre de vie. D'ailleurs, on utilise aussi bien le feuille que les graines, mais aussi de corse ou encore les racines les bienfaits du moringa. Avant toute chose, il est important de vous prévenir que les études sur le moringa ont bien montré sa richesse en phytonutriments. Toutefois, dans certains cas, des études sont encore en cours pour confirmer son effet potentiel sur certaines maladies. Dans d'autres, les effets bénéfiques ont déjà été prouvés. Prévenir les maladies cardiovasculaires grâce aux propriétés antihypertensives de feuilles ainsi que l'effet qu'elles sont également antioxydantes, anti-inflammatoires et qu'elles règlent la glycémie et la lipidémie. On peut aisément conclure que c'est une bonne alliée dans la prévention des maladies cardiovasculaires, booster la réparation musculaire. La présence de nombreuses vitamines, de nutriments et de l'isolement dans le moringa permet de renforcer vos performances physiques mais aussi de faciliter la récupération après l'effort. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce samedi. Passons à présent à l'espace cuisine. Eh oui, coucou les filles, c'est Mira. Dans l'espace cuisine de ce samedi, je partage aussi avec vous quelques recettes insolites à base de moringa. Le moringa est très riche en minéraux, fibres et protéines. On en consomme les feuilles, les graines ou encore les racines. Celui qu'on nomme l'arbre de la vie grâce à sa grande résistance à n'importe quel climat a un goût assez fort et amer, mais reste un aliment privilégié des amateurs de cuisine énergétique. Le moringa est un ingrédient très versatile. Il agrémente aussi euh, bien des barres de céréales qu'un smoothie ou un guacamole. Transformé en poudre, il relève sauce et tartinade et convient particulièrement pour vos recettes détox, ou bien le consommer après cuisson des feuilles avec de la pâte d'arachide ça, c'est un classique. Alors, voici quelques recettes qu'on peut faire avec du moringa. Des barres énergétiques au moringa. Voici trois ingrédients pour une barre tendre facile à réaliser, sans sucre ajouté. Ces barres tendres associent un fruit sec, la date, la noix de cajou. On ajoute euh, de la poudre de moringa. Vous pouvez y ajouter aussi des épices comme le cannelle ou le gingembre. On passe maintenant à la soupe détox au moringa et légumes verts. Les ingrédients sont les suivants. 1 kg de courgettes émincées, 1 litre de bouillon de légumes bio, 100 g d'épinards, 50 g de choux, 25 g de persil haché, un oignon émincé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et de poivre noir, 20 g de poudre de feuilles de moringa bio. Voilà, c'est avec tous ces ingrédients que vous pouvez faire votre soupe détox au moringa et aux légumes verts. Pour faire, on euh, fait revenir l'oignon dans une casserole à huile d'olive à feu moyen durant 2 minutes. Ajoutez les courgettes et cuire pendant 3 minutes. Ajoutez le bouillon de légumes et les épinards, les persils et le sel et le poivre. Laissez mijoter pendant 5 minutes Retirez du feu et laissez légèrement refroidir. Ajoutez la poudre de moringa bio et mixez à l'aide d'un blender jusqu'à ce que la soupe devienne veloutée. Servez aussitôt la soupe. Bonne dégustation. On peut aussi euh, prendre le moringa dans une infusion, en thé bien sûr pour accompagner euh, notre plat. Et à demain mes très chers pour parler toujours du moringa en cuisine mais avec d'autres informations. tu je te demande pardon hein, hein. Quand une femme est jalouse, tu sais bien qu'elle est pire qu'un espion. Bon, pardon. Je posais trop de questions. Mais je fouillais pas ton téléphone, hein, je vérifiais la connexion. Oh. On te dit que c'est toi l'arbre et que c'est moi l'écorce. Tu boudes. Ce n'est qu'une entorse. Est-ce que la colère est égale à divorce qui en sème, non, est-ce que c'est la force Je veux que tu viennes dans mes bras, comme par magie, abracadabra. pourquoi je suis seule dans les draps Si tu as mal, je m'appelle Sparadra. Ah, bébé, Tu vas où Viens ici, bébé, Et euh, c'était la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada. À mon nom, a Fada, qu'on a réussi au délire de ta cam, à Nanjamar Abdoumouni. Wannan fara karatu da za Ouais, ils est-ce qu'ils sont dans les conditions euh, adéquates pour euh, reprendre leur activité académique on en parle aujourd'hui avec Hamid dit nous sommes avec Mansour Issoufou, euh, Aziz Soumaila Soumaïla Abbas, euh, Boubaka. Voilà. Yanzu za mu kan lokaci ya ya ƙure muna menene ya cije muku a wannan lokacin cikin shirye-shiryen naku da ba ku samu kuka yi ba farman ku dotan uman ku domin wayan yanzu zo wajen ka sumaila abbas menene ya cije muku a wannan lokacin par manque de temps ou manque de moyens. Parce que eh. c'est revenu dans plein d'interventions. Hein. Le temps, il manque. Agachata veut qu'on rajoute un peu plus. On parle aussi eh. euh, des moyens qui manquent, euh, notamment logistique, pour déjà venir ici à Niamey euh, Merci beaucoup. Uh-huh. Euh, bon, moi, ce que je pense euh, pour la reprise, parce qu'il faut parler de reprise, il faut qu'on se dise que l'année 2022-2023 n'est pas encore achevée. Ok. Donc, nous allons reprendre à partir du 4 septembre pour boucler l'année 22-23 et peut-être procéder à la rentrée 23-24. Hmm. Maintenant, pour euh, le temps, il faut juste euh, comprendre que notre université, depuis un moment, a adopté une politique euh, de lutter contre les retards académiques. Pour lutter contre les retards académiques, il faut que toutes les couches, les enseignants, les pâtes et les étudiants, il faut que tout le monde se donne. Moi, les facteurs temps, je ne vois pas en tout cas son importance, mais il faut juste dire que les conditions optimales pour une rentrée ou une reprise ne sont pas réunies. Hmm. Premièrement, les, camarades l'ont dit, nos camarades ne sont pas acheminés. À, l'heure où je vous parle, même les étudiants de Tilaveri ne sont pas venus à plus forte ceux qui sont à Difa, ceux qui sont à Agadez. Donc, euh, euh, en tout cas, ça c'est un aspect qui, peut empêcher ou qui impacter la reprise des activités académiques. Secondo, nous sommes euh, dans une situation politique, en tout cas d'exception, très particulière où on ne sait pas si les autorités actuelles vont créer les conditions parce que chaque année, nous l'avons toujours dit, les gens parlent des reprises ou des rentrées académiques de façon politique. Les gens communiquent, font des communiqués de part et d'autre pour dire que voilà, la reprise et la rentrée est fixée à telle date, mais ils ne créent pas les conditions pour que cette reprise soit effective. Donc euh, les camarades ne sont pas déplacés. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise chaque année, il y a des milliers et des milliers d'étudiants qui rentrent à l'université. Mais en tout cas, moi, depuis que je suis venu, il n'y a aucune salle qui a été construite à l'université. Donc chaque année, il y a un nombre pléthorique d'étudiants. Il n'y a pas de salle pour accueillir les étudiants. Il faut songer à la construction des salles pour accueillir les étudiants. Et secondo, par rapport euh, à la question, en tout cas sociale, les logements ne suffisent pas. Les logements datent des, jeunes, en tout cas depuis de longues années. Chaque année, les étudiants viennent. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas en tout cas assez de bâtiments pour accueillir les étudiants. C'est un grand handicap pour euh, une bonne reprise, ou activités euh, académiques Et toujours dans le cadre du, en tout cas de l'aspect social, il faut, en tout cas qu'on se le dise. Euh, pour l'année 2022-2023, les étudiants n'ont perçu qu'une seule tranche de la bourse. Donc nous sommes à un retard de plus de six mois de bourse. L'aide sociale 2022-2023, on n'en parle pas. Donc il y a bourse, aide sociale. il n'y a pas de bourse, il n'y a pas d'aide sociale les étudiants n'ont perçu que la tranche octobre, novembre, décembre 2022-2023. Donc oh. nous sommes en août et on ne peut pas parler de rentrée scolaire. Euh, vraiment, les étudiants ne sont pas dans les conditions, minimes soient-elles, pour euh, reprendre les activités académiques. Il faut que les autorités changent à mettre les étudiants dans leurs droits, les piliers en tout cas nobles, pour que tout marche bien. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on ne peut pas les enseignants, à partir de 17, ils partent en grève. Mais nous, quand on part en grève, parce qu'on n'a pas payé la bourse, les gens vont dire que nous ne voulons pas étudier. Et il faut, il faut, il faut faire la remarque, depuis un temps, les étudiants ont cessé de, suspendre les cours à cause de l'eau sociale ou à cause de la bourse. Mais il faut que les, gens comprennent que c'est pas parce que nous ne pouvons pas suspendre, c'est pas parce que nous, partir en grève, c'est un droit. Et il faut que les gens nous mettent dans les conditions minimales pour euh, une reprise effective de, l'année la, de, de académique. Moi, je pense que c'est juste euh, du folklore, si je peux l'appeler ainsi, c'est mm. politique. Les conditions ne sont pas réunies pour une bonne et effective reprise des activités académiques. 'yan kudaden su da ake ba su na dalibai burs da yar social ba a bada ba har yanzu da ana cikin kuma karancin eh, wuraren karatun nasu wanda suke cikin site har yanzu da dakuna dai basu ishe su ba yace to shi gaskiya ba ya ganin armashin abin shi gare shi kawai ba a shirya ba tukale jane sun kawai suite coup d'état avec les coupures en tout cas très chroniques il y a des cours qu'on peut pas eh, faire sans l'électricité et le manque d'électricité va beaucoup impacter l'administration aujourd'hui euh, malgré que les salles, en tout cas, sont des, salles très vieilles qui, pas, qui ne répondent pas aux normes, mais on fait avec, on nous étudie dans, les, vieilles salles. Les salles n'ont pas de climatisation, encore moins de ventilation. Mais ce n'est pas ça le grand souci. Le grand souci, c'est le fonctionnement de l'administration. On peut partir étudier avec les anciens, mais si l'administration ne fonctionne, rien ne va. Donc il faut peut-être changer, avoir euh, des groupes électrogènes pour euh, l'université, un grand groupe qui peut couvrir tous les besoins de l'université. To, mun ji kuma e ya kawo zancen huta da babu. Babu huta wanda za su aiki da na'urar tasu ta administration kin kuma a cikin wurin karatun nasu ma babu wata huta ba ma azancan wani vanti ko wani climatizer suna nan dai cikin kufur. To ya ce shi da har yanzu dai shi dai bai ga dai wannan shirin ba ya ganin hasken nashi. To, za ni ci gaba da tambayoyin na zan dawo wajen ka Hamid. Quelles sont vos appréhensions Vous semblez vraiment, euh, en fait, chacun, il est dans est-ce que, est-ce que, est-ce que. ko kuna da wani falgaba ko wani shakku a bisa kan wannan sabon shiga karatun da za a yi wannan akwai wani falgaba da kuke wani abu kuke tsoro kamar zai zo in ba a yi hankali ba eh gaskiya muna da tsoro sosai muna jin muna da falgaba da yawa saboda in kun diba yanzu Eh, kamar yadda abokina ya ce wanda ya aje mikro hmm. eh, ya yi zancen wuta yau wuta ba a aiki sai da wuta hmm. kuma akwai kofir da yawa eh, dai wannan ya kamata a ce university tana da abin da ake ma independence energetic wannan tata hmm. onwansa a, a samu electrogen wanda yana iya alimantin ko da university saboda akwai akwai tantumaroken kun san dai ba a shiga tanti ko da zai kake tanti ba ka shiga ta babu wuta balle cikin saka vil kenan abun da za mu ce wuta tana za ta kawo illa cikin waga reprise da za a yi banda ita kuma yanzu kun ba wannan kudeta da aka yi duk yawancin eh, mushanninmu wanda za su ba mu karatu akwai wanda su ma sun zo sun sa wangakinsu gaba wansu ba suna suna suna tare da kudeta wansu ba su tare da shi kuma su abin da za abun nan kai da zamanto masala cikin eh, karatun jami'ai ya kamata a ce a diba a gani an sayan wanda gare mu ba su da ma yawa balle an koma ana rufe su a tuno da ɗaliban eh, a tuno da ɗalibai banda wannan mu dawo kan harka rantre rantre gashi nan abun da muka ce mu dalibai muna da tsoro saboda ko shekara waccan ba a idata ba za mu shiga sabuwar shekara kuma ga dalibai ga sunan ba a ba su allowance allowance nan da ake ba su duk abin da ya kamata a ce an tanada shi dan a yi rantare mai kyau har yanzu ba a yi shi ba kenan ya kamata a ce gwamnati ta doki matakai wanda za a yi rantare nan za a yi reprise yadda ya kamata kamar yadda ta ce haka nan Ok. Vous êtes bien sur l'émission tout à la Fada. na ƙarshen studio take sarrafa musu on va quand même égayer euh, un peu les choses notre discussion est un peu triste tout net <laughs> c'est pas vraiment la joie hein? ça pète pas la forme par là <laughs> on va se détendre en musique avec Blending Lights le Day Weekend et on se reprend juste après yau kuma mu ci gaba da hira ta mu ce zan zo ga tambaya ta karshe gare ku eh, abbas kan in zo wajen ka a ah, azizu kan in zo wajen ka mai aya kan in zo wajen ka zan zo wajen a gaishe ta a gaishe ta wani irin matsaloli ne ke par exemple personnellement kike fuskanta a wannan lokacin rencontrez-vous vraiment des difficultés dans vos préparatifs personnellement gaskiya da zance masala ne ba a zance kawai ba za a ma iya gayin su bari ka saboda sun yawa kawai dai Allah taimaka za mu cewa amma dai manya-manyan matsaloli dai wanda muke fuskanta yanzu kun san zancen burs in nan saju an rol très important saboda kamar yadda yan wana suka ce ko da shekarar can da ta wuce ma ba a yi da bamu ba ta shi guda ne an ka bamu kuma ban da shi ma na yi muku zancen sekirite a lokacin kun san yadda aka yi dai mu HDN mata da maza ba guda ne ba haka ka ha mu suke ce mana da muka tai kansu kamar in dai mazan ne su iya su ko da an fara yaki sun san yadda za su yi sifir da kansu amma ku mata ko an ci a tashi ai gudu ba za ku yi gudu <laughs> ba wani gudu ake iya yi ba ni na samu na kubto amma akwai yan wana da yawa da suke can da abokai na mata an hana su zuwa akwai ma guda a bikiyata ita daga an yi rantare dole sai mana za su fara examen baban nata ya ce kwata-kwata ba za ta zo ba in ba an gyara in ba ya ji kamar garanti garanti siyasan in garin ta yi wannan ba tana can kullum kira na take tana jaji kun ga irin wannan masalolin gaskiya muna fuskantar su mu mata kuma ba za mu iya cewa komai ba kuma irin wannan abin ya ci gaba wa'ansu za su iya fitar da ɗin su kawai ta tai a banza masala ta uku akwai masala da wurin zama saboda yanzu kun san 'yan uwa da yawa ni dai nan gada nake muku zance ni buzuwa ce yan uwan mu buza da yawa da suke ne sun koma suka ce kawai kamar yanzu ko ka ce ka samu wurin wani dan uwanka ka zauna gaskiya abin yana da wuya saboda duka sun taye su duk sun taye eh duk sun kwashi kan sun taye kenan dole site zaka zama kuma site kamar da su suka ce wajen zaman gaskiya sai a hankali ni yanzu wadda nake dakin ta ta yi vacancy kenan ita yanzu in ta dawo zan ba ta dakin ta kuma sai yaya babu dakuna isa shi ba da ma wurin zama <laughs> <laughs> kun gane kawai ga wani da cikin stress kullum kana kwana da ya za a yi kana tashi da ya za a yi wow delika zan kare da kai eh, abdulazizu mai aya kai wani matsaloli ne kake gani suke nan gaskiya ya kamata a ci an diba su lala urgent urgent kwa matsaloli suna da yawa kaɗan daga cikinsu idan kuka lura jami'a a bara wajen mu dubu hamsin da wani abu ne inda ake karatu za ki ga wurin da ya kamata ɗauki mutum arba'in wajen mutum ɗari uku zai shiga wurin da ya kamata ya mutum ɗari biyu sai ki ga mutum dubu ne ke san shiga su yi karatu mafi yawancin al'amarin in mushe na magana ma ba a jin shi yanzu misali ya ne za a yi a ce a yi karatu mai karko a cikin wanga yanayin eh, waɗanda ake ɗoka a maida gidaje motocin da ake ɗoka su mafi yawancinsu mota mutum saba'in satin take ɗoka amma sai ki ga mutum 120 na sai shiga wasu reto suke yi da abin da ka ɗauko ma na ya bacewa saboda kayan reto wannan matsaloli ne kamata gwamnati ya diba da kyau wurin cin abincin kun san da tun inci aka yi wannan cin abinci mutum ɗin da aka yi wurin cin abinci mutanen da aka musu zanki cin abinci bai kai mutum dubu biyu ba da wani abu amma yanzu mutum dubu hamsin ke zuwa su fito wannan wurin dan Allah dan annabi yaya za a yi mutum ya je ya ci abinci a lokaci har ya samu lokacin za ta yi karatu babu babu lokaci lokacin da ya kamata ka yi minti biyar ka ci abinci sai ka awa biyu kana cin abinci abincin bai ma kai gare ka ba kuma abincin ma da zakatar da da kankaru ruku-ruku abincin kankani abincin ma da za ka ci wallahi da yawa ana ta musu hoshi an ta wasu su kasa da yawa sun ɗauki da cututtuka iri-iri dangance ga abincin babu tsafta abincin wurin karatun ma kuna gani yadda daburta ce daburta ce gwamnati ya kamata ya diba kahin ya ce a dawo ya kawo sabon tsari a sake wai ba wata fa'ida gare ta ba inda ana nan ta bakin hausa sun ce suna noman goje muna nan gidan jiya noman goje jama'a ya kamata idan za a yi karatu mai mahimmanci kafin a yi karatu mai mahimmanci a kula menene mahimmancin kayan karatu kaga wannan bayanin naka da shi zamu dasa aya a wannan shirin namu na faransai hausa ya zo karshe amma kan yi ban kwana kwata-kwata da amnan namu yan jami'ar abdul mumuni za mu shuraren kronikin emission tusa lafada da seno 50% désormais 100% et on se reprend juste après merci pour la mobilisation zo chronique elle va porter sur quoi Chers jeunes de la FADA, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans notre chronique de Tous à la FADA, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit bien de la résilience. On va parler de résilience. Alors, il est plus important que jamais d'explorer cette qualité qui a guidé des individus, des communautés et des nations à travers les moments les plus sombres. Chers amis jeunes de la FADA, la résilience, c'est cette capacité à rebondir après avoir été éprouvé par l'adversité. C'est une qualité qui transcende les frontières culturelles, sociales et économiques dans des moments de crise, bien sûr. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de conflits ou de pandémies, la résilience émerge souvent comme une lueur d'espoir au milieu du chaos. Regardons en arrière, au moment où la résilience a été mise à l'épreuve et a triomphé. Prenons l'exemple des citoyens et des secouristes qui se sont unis après des catastrophes naturelles dévastatrices, reconstruisant non seulement des infrastructures, mais aussi des vies brisées. Ou encore, pensons aux pays qui ont surmonté des périodes de guerre pour émerger plus forts et plus unis. Dans le contexte récent de la pandémie mondiale, la résilience a été mise en avant d'une manière nouvelle. Des professionnels de la santé épuisés, mais déterminés à travailler sans relâche pour soigner les malades. Les entreprises ont pivoté pour s'adapter à des réalités changeantes. Les individus ont puisé dans leurs ressources émotionnelles pour trouver des moyens de rester connectés malgré la distanciation physique. La résilience ne signifie pas l'absence de douleur ou de difficultés. Au contraire, elle reconnaît ses défis tout en embrassant la force intérieure nécessaire nécessaire pour les surmonter. C'est une leçon profonde que nous pouvons tous apprendre en nous rappelant que les moments de crise ne définissent pas qui nous sommes, mais comment nous répondons à ces moments. Alors, comment pouvons-nous cultiver la résilience en temps de crise La réponse réside en partie dans la connexion humaine, le soutien social, la communication ouverte et la solidarité. Renforce notre capacité à faire face aux défis. De plus, la pratique de l'auto-soin et la gestion saine du stress sont essentielles pour maintenir notre équilibre mental et émotionnel. En fin de compte, chers amis de la FADA, la résilience en temps de crise transcende les individus pour façonner des sociétés entières. C'est un rappel puissant de la capacité humaine à s'élever au-dessus de l'adversité, à transformer les épreuves en opportunités et à écrire des nouvelles histoires de triomphe. Alors que nous naviguons euh, dans un monde en constante évolution, gardons à l'esprit que la résilience est notre allié la plus précieuse ambitieuse dans la quête d'un avenir meilleur. Voilà, c'est tout, euh, chers amis de la FADA. On se retrouve demain dimanche pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Voilà, c'était la chronique de l'émission Tout ça à la FADA. Nous sommes à la fin de cette émission. Mungode, da duka wannan bayanin da kuka bamu kun dai ji wa'annan ɗaliban karatun dai ba ba a sanya shi ba sai in ce ma an shirya mishi wasu kawai an yadda ma suka ɗauko karatun ne amma dai suka ce adiba al'amarin da suke ciki adiba rayuwar da suke ciki adiba da suke karatu wurin karatu ya kananta wurin kwana babu wurin cin abinci ba ma azanci suka ce adiba dai alawus wannan yanzu suka ce adiba wa'annan al'amarin nasu in dai su ake dai ayi karatun dai mai mahimmanci sai mu ce Allah ya ba da sa'a kuma Allah ya kama da sauƙin al'amarin merci à très bientôt